il y avait, des tentations. Le diable utilise beaucoup de, choses. La tentation, c'est une suggestion du diable et pouvoir séduire que les gens à faire quelque chose de mauvaise. Étant ministre de Dieu, il y a beaucoup de, cas quand on parle de la tentation. <clears throat> la tentation peut, peut, peut multiplier en plusieurs euh, types, formes. Il y a trois, trois cas, trois cas Premièrement, c'est les femmes. Pour les ministres, on doit se, rappeler de, Samson. Il avait la puissance, mais les Philistins qui n'ont pas pu le défier ont utilisé, ils l'ont défié en utilisant de, Vous voyez, Salomon, aussi avait la sagesse. Même lui-même, euh, l'amour des femmes les a fait le péché. Il y a aussi, si vous voulez voir la vie de Samson, il faut lire dans Juge chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 17. Et aussi, vous pouvez lire jusqu'à 20 après. Et le, le cas de Salomon, vous pouvez lire Néhémie 13, verset 28, 26, 2. Une autre chose que le diable aussi utilise comme un, instrument de, de, de tentation, c'est le matérialisme et l'argent. Souvenez-vous de Judas Iscariot. Souvenez-vous de Akan. Une autre chose que le diable aussi utilise, c'est l'orgueil. Souvenez-vous de Osaïe. Dans 2 Chronique, chapitre 26, verset 14 jusqu'à 26. Quand il était pris avec Dieu, son cœur était donné à l'argent, la femme, l'argent et l'orgueil pour pouvoir euh, appeler, ce venu de tous ces choses. Quand un ministre de Dieu a dit que, que c'est la tentations majeures de Dieu, les, pour, pour se rappeler bien de ces formules, de, de ces formules de Satan, un ministre de Dieu a mis ça sous forme de cette formule. Il a dit que il a, il a dit qu'on parle de, de, il parle de, il parle de femelle, finance ou bien fond, et aussi la, la, le film, le film, ça veut dire que l'orgueil. Ça veut dire quand on parle de femelle, ça veut dire que les femmes. Quand on parle de fonds, de fonds, fonds ou bien finance, ou bien ça veut dire finance, finance. Et maintenant, film, euh, ça veut dire l'orgueil. Certains moments, vous voyez, au lieu de se focaliser euh, sur le travail de Dieu, on se donne sur, on cherche l'orgueil, on cherche le film, on cherche la finance, on cherche l'argent, on cherche aussi le, la, femme. Et ça qui fait que beaucoup de, beaucoup de personnes euh, se perdent complètement avec ces choses de, de, ce monde. Une autre personne a dit que il a aussi mis ça dans la forme formes de tentation aussi d'une autre forme dit que que le diable utilise pour pouvoir du euh, euh, détruire les, plans, les, enfants de Dieu, c'est quoi Il utilise les filles, filles, filles pour, pour F et le fric. Fric et fier, ça veut dire que fier d'être, le fait, d'être fier. Vous voyez, à certains moments, quand vous avez marié, vous ça fait 10 ans, 5 ans, 15 ans, vous voyez, si vous ne prenez pas attention, votre femme vous sera comme une vieille femme. Alors, et ces, ces filles-là, que vous les voyez autour de vous, le diable va vous, va vous tenter en disant que ah, ces filles-là ne sont pas plus belles que ta femme. Non, elles ne sont pas. Ils sont plus mauvaises, ils sont terribles. S'ils viennent auprès de vous, ils seront un instrument de diable. Les, ça veut dire quand on parle de filles, filles, filles, on parle de quoi quand oh, je parle de filles, filles, ça veut dire de féminité, de féminité, fille, fille, fille, le féminité. Et aussi, je parle de fric. Fric, ça veut dire que je parle de l'or. Fric, c'est le fric. Fric, c'est le, lore. l'or. Fric, c'est l'or. Fric, c'est l'or. Et aussi, le, troisième F, c'est euh, fier d'être. Fier d'être. Ça veut dire que, ou bien, on parle de flash bien flash ici les gens qui sont des vantards les gens qui se qui se montrent les, la célébrité pour se célébrer pour se glorifier on, veut, se faire connaître. On veut, avoir ceci, on veut savoir ceci. Si vous êtes connu, c'est bon. Mais si que cette gloire-là vient à elle-même. Mais sans pas qu'on laisse le ministère à part et on court d'après la gloire. Une autre, personne aussi a dit que les reines les reines, reines, richesse et quoi révérence. Si on ne fait pas attention, les tentations du diable, la tentation du diable, nous serons, nous séduits par les reines. Je parle des femmes. Reines, ça veut dire les femmes. Reines, reines, ça veut dire les femmes. Reines, ça veut dire les femmes, les reines, les femmes et les richesses, les richesses. Et aussi quoi On parlera de révérence. Les gens veulent être adorés, l'adoration. Ils veulent être adorés, ils veulent être connus. Et c'est ça qu'on appelle l'orgueil Esprit Info faire Et ces pasteurs qui sont toujours, chaque mois, ils ont commencé la même chose. Ils ont commencé avec ces mêmes lettres. Ces mêmes lettres, ce mot-là. Ça veut dire qu'on parle de femelles, fonds, ou bien finance et femme. Ils parlent aussi de filles, ou bien fric, ou bien fier d'être. Et ça parle aussi de quoi? Reine. Ça veut dire les femmes, richesse et comment? Révérence. tout, cela ça, parle de la droite des femmes, l'argent et l'orgueil. Et quand on parle des femmes, on doit vraiment, euh, on doit vraiment observer cela vraiment sérieusement parce que si vous si vous lisez beaucoup les nouvelles venant des gens venant beaucoup de beaucoup de sources, les gens du monde, quand ils écoutent que un ministre de Dieu est tombé de, de, de, tomber concernant une femme, ils vont ils faire la propagande avec ça elle, euh, la, l'année passée bien au euh, commencement de cette année, on a écouté un homme, un homme populaire, un ministre de Dieu qui est aussi tombé. Il a, il a, a regardé suite à une femme en Amérique, en Amérique, pour une femme. Ça, et ils ont fait la propagande. Tout le monde a écouté cela. Et cette année encore, on a écouté ceci encore. Et maintenant, actuellement, il devait avoir une croissade une croisade à, Lagos. Mais c'est la personne qui devait diriger cette croissade. La personne ne peut pas le faire parce que quoi, elle est tombée à cause d'une femme. Un grand musicien dans, l'église est tellement détruit comme ça à cause d'un petit moment qu'il a dépensé avec la femme. Faut pas laisser que le diable utilise quelque chose pour vous on, en, est en train de faire un combat. Tout ce qui est passé dans le passé, mettez tout cela dans le sang de l'agneau et dites qu'à partir d'aujourd'hui, le diable ne va jamais tricher et, et nous serons triomphants au nom de Jésus. Comment nous allons défendre euh, Comment, comment, comment, comment pouvons-nous euh, vaincre conquérir euh, le diable Comment pouvons-nous être vainqueurs, triomphants c'est ça qui est le point numéro 3 maintenant. Et je vais vous le donner en toute chose ici.